Président. Vous l'avez écouté dans la mesure où en deux heures, en deux heures, vous vous êtes retrouvés. Nous moulins. Tout le monde est président de campagne ici. Si quelqu'un connaît le président de campagne, il n'y a pas de jigéen Si quelqu'un connaît le président de campagne, dem ci proximité dugg ci kër yi waxtaane ñu liggéey waxtaane fi ñu bëgg a jëm waxtaane fi ñu bëgg a yegg nee na Benno Bokk Yaakaar ñëpp nañ nekk benn tànk nee na bu kenn xuloo nee na xeex nee na ñu jëye réew mi téye ko Modou Mbaye xam nga yow boo ñëwee fii ak sa papa ñiy toog mu am ñaari baat moo bëgg nga wax ko ba pare jox sa Baye Ablaye mu dugal Baye amul jërëjëf Papa Saliou Faye Daaf mbooloo li ma bëgg bariwul dama bëgg bulletin bi bulletin bu lay doon am bopp fas wi ñu xàmmee ko bu ñu xëddee dem vote ji bu ñu nangoo sibile loolu rek laa doon wax yàlla yàlla vote bi yàlla def président Ousmane Gueye Dane incha allah daa amul. la coalition Sénégal d'abord avec de je voudrais avant tout vous saluer, vous remercier. où en effet, vous avez relevé le défi. La campagne de la coalition Benno Bokyaka va démarrer effectivement demain par Maquet et je devrais revenir ici à Guédiawaye le dernier mercredi avant l'élection. Cela veut dire en clair, aura le privilège de revoir le candidat deux fois au moins. C'est vrai. J'ai un lien particulier avec Guédiawaye. Ma famille maternelle vit ici, à l'unité 6, dans la commune de Gorle. Ce n'est pas la seule raison. Mais vous êtes unis. Et j'ai voulu vous offrir un exemple. Monsieur le maire, allez Monsieur le ministre, la Diop, monsieur le directeur général, monsieur le maire, Racine. Ma tante et Je vous salue tous. Mais permettez-moi de me consacrer à la jeunesse de Guédiouaï. Aliou a pu relever le défi. En effet, c'est hier vers 20h que je lui ai dit, je pourrais éventuellement passer à Guédiawaye. Je n'ai même pas été affirmatif. C'était pour tester la capacité de mobilisation. C'était aussi pour saluer l'unité retrouvée dans Guédiawaye. Et je ne suis pas déçu. Merci pour tout ce qui a été fait et vous êtes sur la voie de la victoire dès le premier tour. M'adressant à la jeunesse de Guédiouaï et à travers elle, à la jeunesse du Sénégal, je veux vous dire que votre voix compte. Votre action est importante. L'avenir de la nation repose sur vos épaules. Nous sommes un pays très jeune. Plus de, plus de la moitié de la population a moins de 19 ans. Les trois quarts de la population ont moins de 35 ans. Cela veut dire que la jeunesse n'est pas l'avenir dans notre pays. La jeunesse, c'est le présent du Sénégal. C'est pour cela que je m'engage à être le président de l'emploi des jeunes. Je m'engage à consolider les acquis, à mettre en œuvre des programmes innovants et je me suis engagé à créer un million d'emplois sur les cinq années Ça ne sera pas assez. Ça ne sera pas assez. Mais la paix que nous recherchons, si nous parvenons à la consolider, l'unité que nous voulons, si nous parvenons à raffermir cette unité, l'intégration dans laquelle nous sommes, si nous parvenons à la consolider, on sera au-delà des 1 million d'emplois que je viens de promettre. Il est vrai, il est vrai, j'ai entendu beaucoup de réformes institutionnelles dont la seule motivation de se partir des responsabilités. Je me suis dit, non seulement ils sont incompétents, mais ils sont insouciants. J'avais toujours pensé que c'était des aventuriers. J'ai douté un moment. Maintenant, j'ai l'intime conviction j'ai l'intime conviction qu'il ne peuvent même pas diriger le Sénégal pendant deux jours. Ils sont totalement out. Et c'est pour cela que je compte sur vous, debout, pour que notre pays puisse continuer sa trajectoire. Debout, pour que l'on puisse consolider nos acquis debout pour que l'on puisse aller plus loin et plus vite. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut faire encore plus, faire encore mieux et aller encore plus vite. Et ceci dans la plus grande rigueur et la plus grande transparence. Manglen di responsable di rafetlu seen teewaay démb démb ci huit ci guddi di wax vingt heures laa ne Aliou Sall xëy na mën naa ñëw géejawaay parce que sama programme bëccëg bi mën naa ko gën a guddeel mi ne ma pare naa ma ne ko Aliou li ma wax na mi ne ndax géejawaay ñun dañoo juboo ma ne ko ne serait-ce pour cette raison lu mu xat-xat-xat naa ñëw géejawaay parce que géejawaay war naa fi ñëwaat ci feewu mandat feewu campagne bi parce que parce que D'accord. ne ma mën ngaa ñëw ma ne ko kon jiguma la dara jiguma la mais dinaa jéem ndax dama dul mën a def département yi bu nekk ñaari yoon c'est pas possible te nag nay Cheikh la njaaxaanaay laa war a tëddee te war naa fee ñëwaat bu may def sama tournée Dakar ma ko dinaa jéem waaye am naa lay ndax samay waajur fii dëkk ci ku neex ndax sañ ngaa ñëw say kër kon Aliou sama njaatige nga mais Aliou sama njaawaara moo doon suñu meeru waa kon warna naa fee mën a ñëw te dara sax dama leen bëgg parce que je me retrouve je me retrouve en vous j'ai grandi j'ai grandi dans les banlieues je sais ce que vous ressentez. Je sais ce que vous vivez. Et j'ai l'intime conviction qu'ensemble, on peut aller loin et très loin. Parce qu'on se connaît très bien. Nous avons la même histoire. Je suis né à Grand regard J'ai grandi au à Asseni et à Guéjoy. Damane. li tax ma bëgg leen li tax ma bëgg waa banlieue bi li tax ma bëgg waa banlieue bi man damay doomu banlieue juddoo ci banlieue màgg ci banlieue xam li ngeen di jànkonteel dund ko nag lii ngeen di dund tey man dund naa ko ci at yi passé li muy tekki il est possible de réussir ensemble au Sénégal si on si on est unis lii ngeen di dund xam naa ko dem ko dund kon bu ñu àndee saafara am na loo xam ne motuma wax dama koy gis bés bu nekk te bokkuma nag ci ñi nga dañuy responsabilité xarit je suis très sensible aux questions d'emploi je suis très sensible aux questions liées à l'assainissement j'ai vécu les inondations je sais ce que ça signifie c'est pour cela que lorsque j'ai été nommé Premier ministre, j'ai fait un focus sur les inondations parce que je sais ce que ça signifie dormir dans une chambre qui est inondée. C'est pour cela, avec vous, avec nous, à qui Safar, koy emploi.

seet naa ko ba seet daal man xaw ma fan lañu jëmee Sénégal damay réformer constitution damay créer ay vice président damay créer ay sénat dama bëgg a yokkal réew mi charge te xale yi nekk fii man nag jaaxal na ku bëgg a jël te mënoo da ngay xaar ba beneen yoon.

jublu ci assainissement jublu ci courant ak ndox jublu ci mbay mi lu ci nekk nag amal nañ ko yoon xam nañ nan lañ koy defee xam nañu ku koy def ak ñaata koy def ñii wax ñëpp dañuy diggaate rek kon maa ngi leen di sant waa Géejawaay li ngeen ma waxoon gis naa ko juboo ci la lépp xaj dama bëgg nag yéen waa Géejawaay ngeen service de modèle sol seen daal fi nga xam ni juboo des na fa ngeen dem waxtaan ak ñëw ndax ñun ñëpp ñu bokk ndey bokk baay xam ni Sénégal moo soxla nañu ñëw liggéeyal Sénégal dinaa ñëwaat ci intégration ndax ñun dañoo war a ànd fii ci Sénégal dañoo war a ànd dañoo war a ànd ak ñi ñi dëkkan suñuy dëkkandoo xam ngeen ni Gambie ak benn la xam ngeen ni Mali ak Sénégal benn la Mauritanie ak Sénégal benn la Guinée Bissau ak Sénégal benn la Mauritanie ak senegaal benn la yow ñëwagoo sax sa yéene mooy damay tàggale bëgg tàggale ñoo xam ni mënoo leen tàggale ndax frontière bi fi ne fii lay nekk rek te nag mënuñoo dund sans ñoom ñoom it mënuñoo dund sans ñun kon nekk ci campagne électorale bëgg wu ñu wax la rek kan tu nationaliste ñun ñëpp bëgg suñu réew kenn gën a ñoo bëgg réew waaye nag dañ ko bëgg a njaboot gi yëpp njabootu Sénégal ak njabootu Afrique loolu mooy cëru Sénégal Sénégal du réew muy beddi Sénégal du réew muy dàqaate fii kër boo fi dugg boo leen fekkee ñuy añ wala ñuy reer ñu ne la loolu mooy unité loolu nag gan lañ koy faral di def gën mën naa doon sa mbokk gën mën naa doon ku jógee feneen tumuranke ñoom ñëpp xaj nañ ci senegal ndax yàlla may nañu xam-xam may ñu kàttan surtout may ñu yéene boo xam ni bu ñu àndee incha allah bu ñu àndee bu soobee sunu borom doomu Sénégal yi doyuñu Sénégal

I'm Thank you.